Kalangu et d'ailleurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. À la présentation, les binômes Mariam Ade et Rabia Mekano. Bonjour Bibi, tu vas bien ce matin Je me porte bien Mariam, je suis juste impatiente de présenter notre programme de ce matin. Tu seras bien servi surtout dans la rubrique Invité du jour. Nous avons l'honneur d'être avec Hamidot Ilamekaswa, Mekaswa, passionnée de cuisine notamment nigérienne. Elle est la créatrice du groupe Facebook Marmite Nigérienne avec 37 membres aujourd'hui. 37 000 membres, euh, Mariam, voilà juste le nom de la page, ouvre mon appétit. Eh bien Mariam, dans cette émission, nous aurons aussi une playlist qui va rendre hommage aux figures du rap féminin nigérien. Elles ne sont pas nombreuses, mais vous allez kiffer notre sélection, promis. Nous aurons également la rubrique hebdo du lundi qui parle de droit. Ensuite, les sports et les lotis de l'équipe femme du studio Kalango. Que serait cette émission sans nos techniciens Biga Pakader Chambiano et Rehila Soumana, notre chef d'édition? Studio Chers auditeurs, auditrices, c'est à présent l'heure du flash d'information avec Mouktar Hamadou. Bonjour Mouktar. Bonjour Mariama Adé, bonjour Rabia Mekano. Bonjour Mokhtar. Alors, euh, quelles sont les nouvelles ce matin eh bien, nous allons commencer avec euh, l'agenda présidentiel. Le président de la République, euh, Bazoum Mohamed, qui a reçu samedi le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Brucard. Il est en mission au Niger dans le cadre de la coopération entre les armées des deux pays. Le chef d'état-major français s'est rendu le même jour à Walam dans la région de Tilaberi avec son homologue du Niger, Salif Moudi, pour visiter les postes de commandement qui y sont déployés. Le ministre euh, du pétrole Mohamed Sani Mahamadou et le ministre de l'eau et des mines du Bénin Sanou Seydou Adambi ont effectué une visite du 9 au 11 mars à Koulélé sur le site pétrolier d'Agadem dans la région de Difa. Une visite de terrain au niveau des différentes infrastructures en cours de construction dans le cadre du projet du pipeline Export Niger-Bénin selon l'agence nigérienne de presse ANP. Ensuite, le, le groupement d'instruction des forces armées nigériennes de Tondibia a abrité vendredi passé la cérémonie de présentation d'environ 1600 soldats, dont 129 féminins. Il s'agit de la première étape d'une série de trois cérémonies successives euh, du genre qui consacreront la fin de formation des 4500 recrues du contingent 2002, dont ceux euh, des centres d'instruction d'Agali à Dosso et d'Arunguza à Zendera. Cet effectif va accompagner la montée en puissance euh, de l'armée nigérienne euh, pour permettre au Niger de faire face aux menaces sécuritaires. C'est tout pour euh, le flash d'information de, notre de votre émission Le Niger sur Kalangou passé d'agréables moments en compagnie de nos collègues Rabia Maïkano et Mariama Adé. Merci, Merci Un plaisir de te recevoir sur cette émission à chaque fois. La chers auditeur, comme annoncé, tantôt nous parlerons de la cuisine nigérienne avec celle qui fait aujourd'hui partie des promotrices de cette culture. Hamidatou Ila Maikaswa, initiatrice du groupe Facebook Marmite Nigérienne. Mais Ravi, avant d'entamer notre discussion, un premier tour avec euh, Kirari des ZMA. hapo nikasirapobei nikangawanizei nikangakasei nikangakom bado mikroin saka hanyakirki na farko aboguda ka ɗauki niyya ka san da rap ba dama zagin dan uwa ba dama cin hakkin dan uwa domin matsala da dama ke cikin ƙasa matasa babu aiki laftani babu magani mata karkara suna so ice ba su da hutu babu mai kula da su amma ka zagi wane ka ɓaci wance ka san rap Shi zai sake matasa hama sake iko ifoni te rapo shi mi rap ko rap ta su Beware of my family danger. the next rhyme I write might, might, might be about you. Beware of my ho nit vo ke kana hoti ho ke e yo yo mi ka to kirapi yo rap da babu zanga zanga ke ko sai da ilmi sai da wayo ana rap da ma in ce kana wake in baka abun faɗi ka zagi zagi. zage wai mi kuka mai da rap Shimmy, suka mai da rap yo Rapper gangster, promoteur escro. Katuba duba bisa hanya MC sai Jean Bala Bana da biba tabi'a ba kumya kumbaza ne yannunka mika ke jira na bayanka su ma i mika ke jira wai mi kuka mai da rap ko mi rap ta mai da ka ta saka manta galgashiya ha'a beware of my family danger For the next rhyme I write might might might be about you beware of my family Boubacar Zara Moussa alias ZM est née en 1979 à Zandera. Elle est une des pionnières de hip-hop féminin d'Afrique de l'Ouest. ZM révèle le défi de se faire une place dans le milieu rap nigérien pour se faire entendre et être le porte-parole des sans-voix. Universel, le rap de musique de revendication sociale dépasse les frontières. Le hip-hop mouvement artistique qui est apparu aux États-Unis au milieu des années 1970 euh, et la passion de cette mère de famille. Elle a entamé sa carrière musicale en 2002 et la même année, elle remporta le premier prix d'un concours musical organisé par l'ambassade de France via le Centre culturel franco-nigérien. Et ce fut la consécration car cela lui a, permis à l'artiste d'enregistrer ces deux singles qui l'ont davantage propulsé dans ce milieu, Mariam. Ewirabi ZM sort en février 2005 son premier album Kirari qui veut dire en Hausa défi qui comporte 12 titres. Sur ZM, il fallait coûte que coûte relever les défis car dit-elle le premier prix que j'ai à gagner a suscité un tollé au sein des membres du mouvement hip-hop. Il ne se gênait pas pour dire à qui voulait les entendre que j'ai eu ce premier prix parce que je suis une femme. Pour eux, une femme ne peut rien avoir par mérite, par la volonté de Dieu. C'était le sang Kirari de Zedem. Cette grande dame est juste impressionnante sur scène. J'ai vu quelques-unes de ses prestations et c'est vraiment quelque chose, hein. Parlons à présent en cuisine avec Madame Hamilatu Ila Mekaswa, promotrice de la marmite nigérienne. Madame Hamidatou, d'où vous est venue l'idée de ce concept marmite nigérienne et quel est l'objectif visé à travers cette initiative Alors, la marmite nigérienne, c'est un groupe que j'ai créé parce que j'ai toujours été très frustrée du fait que la cuisine nigérienne, les spécialités nigériennes n'étaient pas connues en fait en général. Euh, on est connu pour les grillades, donc euh, la, viande grillée et puis le kilishi, mais pas pour toutes les autres euh, types de, spécialités qu'on a et qui sont très très très diversifiées, variées d'une euh, région à une autre. C'est très très riche. Là, on, est sur l'Agadez et Agadez, c'est très riche. C'est essentiellement le blé, mais c'est aussi riche que le serait euh, Difa ou Maradi. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce groupe. C'est pour promouvoir le, patrimoine culinaire du Niger, le faire connaître et aussi le valoriser. Quand vous faites la promotion de la cuisine nigérienne, est-ce que vous partagez les recettes telles quelles ou vous les adoptez selon la saison On est toujours à cheval entre euh, partager effectivement ce qu'on a hérité de nos grands-mères, donc la façon de faire traditionnelle, mais aussi soucieux de l'améliorer parce qu'il faut bien sûr euh, les revisiter, mais en, apportant plus une touche nutritive, c'est-à-dire enrichir les plats tels qu'ils étaient, euh, ajouter d'autres condiments, d'autres légumes qui vont les enrichir et les rendre plus nutritifs, pour les, toute la population, notamment les femmes et les enfants. Madame Hamidatou, votre page Facebook est suivie par presque 37 000 membres. Comment vous vous êtes appris pour embarquer tout ce monde autour de la cuisine nigérienne ben, En fait, les Nigériens aiment beaucoup leur, propre cuisine. Euh, et puis, euh, ils sont aussi curieux de connaître ce que font les autres. Euh, notamment les autres euh, régions, enfin d'une région à une autre, on découvre, hein. on n'arrête pas de découvrir euh, la richesse de ce patrimoine. Donc ils, sont de même de bouche à oreille et puis aussi Facebook fait la promotion. ils ont adhéré eux-mêmes. Bon, ça fait depuis 2016 qu'on existe, hein. donc au début on était à, à peine une centaine la première année, mais après au fil des ans et notamment quand il y a eu la crise Covid comme les gens étaient bien euh, connectés sur, Facebook, donc euh, le groupe a eu une très très forte croissance. Globalement, que pensez-vous de la cuisine nigérienne et qu'est-ce qui la particularise euh, de celle de la sous-région Alors moi, je pense que la cuisine nigérienne, franchement, c'est une des meilleures cuisines. Je dirais même pas d'Afrique, mais du monde entier. J'ai parcouru pas mal de pays. J'apprécie énormément les cuisines étrangères, mais la nôtre, je la trouve particulièrement riche, comme je disais particulièrement variée et très goûteuse. Euh, c'est juste qu'elle n'est pas connue. Et du ça, c'est dû au fait parce qu'en fait, euh, je crois parce que les Nigériens ne voyageaient pas beaucoup. On est pas d'une très très grande diaspora à l'extérieur parce que vous savez, la culture, elle s'exporte aussi. Et c'est quand les gens euh, quittent leur pays pour aller dans d'autres cultures qu'ils exportent leur culture et notamment le patrimoine culinaire. Ben, c'est comme ça qu'il s'est fait euh, au Sénégal. Les Sénégalais voyagent beaucoup, ils sont partout dans le monde et c'est comme ça qu'ils ont réussi à conquérir le monde avec le tchèp. Les Marocains avec le couscous, mhm. les, les Tunisiens pareil. Mais nous, au Niger, on n'a jamais été de très grands voyageurs donc euh, on n'a pas réussi, à part les grillades, comme je dis, et le kidishi, qui d'ailleurs c'est quand les gens viennent qu'ils apprécient et qu'après, euh, du coup, ils exportent, qu'on est connu pour ça. Mais on n'a pas euh, vraiment cultivé cet esprit de valoriser ce patrimoine culinaire. Mais maintenant, on veut le faire. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Nous voyons beaucoup de plats africains s'exporter à l'international. Selon vous, comment peut-on parvenir à ce résultat avec nos plats locaux Il faut qu'on soit nous-mêmes ambassadeurs de notre euh, patrimoine culinaire. Il faut qu'on l'exporte. Euh, ça, c'est quand on est à l'étranger, mais quand même quand on est à, l'intérieur, il faut qu'on le conserve parce qu'on a de, plus en plus tendance à, s'approprier d'autres euh, mets euh, qui sont pas de chez nous, mais qui sont pas aussi euh, riches et nutritifs comme le sont les nôtres. Euh, je pense que c'est pas volontaire en fait, c'est juste que la transmission ne s'est pas faite. Il y a un moment où il n'y a pas cette transmission parce que maintenant effectivement les jeunes sont plus connectés sur internet, ils sont pas forcément sur, dans les cuisines à apprendre, ils vont pas forcément au village pour apprendre. Mais par contre, il faut aussi profiter de cette opportunité qu'est l'internet pour diffuser le savoir culinaire, le partager, et c'est ce qu'on fait à travers le groupe Facebook et le site internet. Voilà. Rabi, avant de poursuivre notre entretien et notre tour en musique dans ce numéro spécial rap avec les titres de la danse à la musique de Marie Diallo. Well on the beat. Femme du Sahel. Femme du Sahel. Marie Diallo. Marie Diallo is my story. Écoute ça, écoute ça, écoute ça. De la danse à la musique, yeah. Ça fait plus de dix ans, que j'attends le succès. Mon succès, mon succès. Seul le travail paye, n'abandonne pas, il taffe dur jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je suis venu dans le game et je la musique. Yeah, yeah, yeah. Je suis toujours resté droite et authentique. Je fais mon swag step, step, step, Je fais mon swag step sans forcer sur les pas de danse, de la danse à la musique. Je suis toujours resté droite et authentique. Je fais mon swag step, step, Je fais mon swag step sans forcer sur les pas de danse, de la danse à la musique. J'ai su garder le cap pour ne pas me perdre, même si je pas le choix gens bien me féliciter Tout au long de mon parcours, ils m'ont validé. la musique, je me suis fait non. Grand temps pour moi de marquer mon histoire. Je suis pas en compète, mais je rêve de remplir. Mahamad Gandhi avant la conquête. Basta, basta, faut pas lâcher la baraque, barra. Non, non, basta, basta, faut pas lâcher la bara Non, non. Hey de la danse à la musique. Marie Diallo, la vingtaine, Marie Abdoulaye Doti Diallo, dite Marie Diallo, est à la fois danseuse et rappeuse. Elle a bien chanté dans ce titre. Hein. Chanteuse à la voix grave, elle est aussi membre du collectif à qu'elle a intégré en 2020 en qualité d'artiste rappeuse aux côtés des sept autres de ses consoeurs artistes. Quand on dit euh, de la danse, la musique, ce sont deux disciplines artistiques qui se complètent. Et en tant que femme, c'est une opportunité pour moi de m'exprimer et de m'épanouir à travers, dit-elle. Et oui, Bibiela a aussi remporté le, concours concours plein des jeunes talents du Niger, édition 2020. La jeune rappeuse a pour idole des artistes urbains chercheurs tels que les rappels français Zao, Black M, Maître Jim et des icônes comme la rappeuse ZM et les stars de la Hall School nigérienne. Aujourd'hui, Marie Jello s'exprime en solo et évolue en même temps dans le collectif So Niger, avec lequel elle a déjà enregistré deux, deux, deux hits. Le célèbre titre Waibor qui rend hommage à la femme Salut et le second titre sur le thème des élections apaisées sorti pendant la période électorale. Dans sa carrière solo en musique, Marie Diallo fait une entrée fracassante avec le titre de la danse à la musique qu'on apprécie bien, qui retrace son parcours professionnel d'artiste. Marie vit quotidiennement sa grande passion pour la danse et la musique entre l'académie et les sociales. Elle passe beaucoup de temps au studio avec ses consorts du groupe. Elle annonce très bientôt la sortie de son deuxième single en solo. Je suis toujours restée droite et authentique. Je fais mon swag step, swag step, swag step, swag step. Je fais mon swag step sans forcer sur les pas de danse. Poursuivons à présent notre entretien avec Hamilatou Ilamekaswa, initiatrice du groupe Facebook Marmite Nigérienne. Selon vous, est-ce que nos restaurateurs ici sont assez impliqués dans la promotion de nos mets alors, il y a quelques initiatives, oui, depuis quelques temps. Euh, il y a deux restaurants. Il y a un qui est typiquement nigérien, donc c'est Karasu, qui est présente effectivement beaucoup de mets nigériens. Ça, c'est très important parce que beaucoup de, vous avez rencontré des, personnes qui résident ici, qui sont pas du Niger et qui sont curieux de découvrir, mais malheureusement, ils savent pas où aller. Donc, moi, je suis très heureuse que Karasu ait pu euh, ouvrir, en tout cas à Niamey. Dans les autres régions, je pense qu'ils font aussi. Il y a quelques restaurants qui le font. Il y a aussi le pilier qui fait la promotion de la cuisine euh, Il y a beaucoup de plats Touareg euh, dans la carte du pilier et ça, c'est très il y a le Grand Hôtel, vous allez voir euh, les brochettes et même ils font des frites à base d'igname et de, patates douces. Il y a le Copte qui a conquis tous les restaurants et tous les grands hôtels. Et toutes les pauses café, vous allez voir maintenant, on présente du copto, qui est plus apprécié que les croissants et les, pains au chocolat. Euh, et de même, si on faisait des beignets, des galettes, je pense que les gens apprécieraient plus que des, croissants et des pains au chocolat. Quoi. Donc il y a des initiatives dans ce sens-là, oui, tout à fait. Comment accéder aux recettes que vous proposez Sont-elles payantes ou gratuites ah, C'est totalement gratuit. Hein. Il faut aller sur le groupe Facebook, marmitijan.com. Toutes nos recettes sont répertoriées. C'est un travail qui est difficile à et qu'on fait depuis très longtemps, euh, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, mais qu'on tient absolument à faire parce qu'on veut préserver le patrimoine culinaire du Niger et c'est totalement gratuit. Avec le ramadan qui s'annonce et l'inflation sur le marché, que nous proposez-vous comme alternative pour aider les consommateurs, notamment les femmes, à y faire face Alors moi, ce que j'allais conseiller, mais c'est peut-être déjà un peu tard parce que les prix ont commencé à augmenter, c'est de, de conserver. Il fallait transformer, conserver notamment euh, si possible euh, tout ce qui est pour les jus par exemple de baobab, de, de pain de singe, acheté quand c'était pas cher et conservé, pour le bissap par exemple, acheté en quantité et puis le moudre avec de la menthe séchée, c'est très pratique pour faire les, boissons pendant le ramadan. Pareil, bon, les légumes, il y a certains qu'on peut pas conserver. Hein. Vous savez, la tomate, bon, c'est difficile, c'est un procédé qui est difficile. Pour les autres, euh, euh, le citron, pareil, le presser, presser le jus et le conserver euh, au congélateur pour après faire les jus, et ça revient moins cher. pareil pour quelques légumes. Les carottes, on peut les sécher, on peut, on peut aussi les, les transformer. Bon, ça dépend hein, si on veut faire des, des pâtes ou pas. Euh, les petits pois, la pomme de terre, malheureusement, c'est un peu compliqué aussi de la, de, de, la conserver. Euh, les techniques sont un peu compliquées. Mais moi, c'est ça que j'allais conseiller. En fait, tout ce qu'on peut sécher, le sécher et le garder. Tout ce qu'on peut extraire comme jus concentré, pareil, le faire et le garder. L'ail, la faire sécher ou acheter la, la sécher, même si c'est encore bien. Et puis après, l'écraser en tout cas, c'est vraiment s'y prendre au moment où c'est moins cher pour éviter après les fluctuations de prix. Bah, merci Madame Hamidatou pour toutes ces astuces, Mariam. Chers auditeurs, vous l'avez compris, les lundis, la rubrique hebdo, c'est avec notre chroniqueur Tarnan Foudé Ahmeda. Bonjour Tarnana. Oh oui, bonjour Mariam, comment ça va Bienvenue alors. Aujourd'hui, dans la rubrique justice de cette émission, nous allons parler de certains actes de droit. De quoi s'agit-il oui, on va parler de la convocation et de l'interpellation en droit, ces deux termes juridiques qu'on entend quotidiennement autour de nous. Alors, Ternan, euh, c'est qui notre interlocuteur d'aujourd'hui C'est Boukari Lawali juriste et écrivain nigérien qui vit en France. Il est également l'auteur d'un livre intitulé Droit pénal spécial, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Par définition, la convocation est un acte juridique qui consiste à inviter une personne à se présenter à une date et un lieu précis pour répondre à des questions ou participer à une procédure légale. La convocation peut être adressée à une personne en tant que témoin, suspect, partie civile, expert ou toute autre qualité selon les cas. En général, la convocation est utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative. Elle peut être émise par un juge, un OPJ qui veut dire officier de police judiciaire, un procureur, un avocat, un huissier de justice, un notaire ou toute autre personne ayant qualité pour agir dans un dossier. La convocation doit être euh, remise à la personne concernée par un moyen approprié, tel qu'une lettre recommandée avec avis de réception ou une remise euh, en main propre ou même une notification par voie électronique. Elle doit également préciser la nature de la procédure, les motifs de la convocation, la date et l'heure de la comparution ainsi que les droits et obligations de la personne convoquée. Et là, on doit remarquer que si la personne convoquée ne se présente pas à la date et à l'heure indiquée, elle peut être considérée comme ayant refusé de comparaître. À quoi expose les refus de répondre à une convocation Dans ce cas, elle peut être sanctionnée pour ce refus et les sanctions peuvent aller d'une simple amende à une détention provisoire en fonction de la nature, de la procédure et des circonstances de la non-comparution. À côté de la convocation, il y a l'interpellation. Qu'est-ce qui différencie les deux termes et quel est entre En droit, l'interpellation est un acte de police judiciaire qui consiste à appréhender une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou d'être impliquée dans une affaire en cours. Et contrairement à la convocation, euh, l'interpellation est un acte coercitif qui peut être effectué par les forces de l'ordre, généralement les policiers ou les gendarmes, sans le consentement de la personne concernée. Et l'interpellation peut se faire de manière plus ou moins musclée selon les circonstances et le niveau de résistance de la personne appréhendée. Elle peut être effectuée à son domicile, sur la voie publique, dans un lieu public ou privé, ou encore euh, à la suite d'une poursuite à pied ou en véhicule. Et une fois la personne interpellée, la personne doit être informée des motifs de son arrestation et de ses droits, notamment celui de faire appel à un avocat. Elle peut être euh, placée en garde à vue pour une durée maximale de 48 heures, généralement, renouvelable une fois sur autorisation du procureur de la République. Le temps pour les enquêteurs de recueillir des éléments de preuve et de l'interroger sur les faits qui lui sont reprochés. Ensuite, euh, la différence entre l'interpellation et la convocation réside dans le fait que la convocation est un acte non coercitif qui invite une personne à se présenter volontairement à une procédure légale pour répondre à des questions ou participer à une action en justice. Contrairement à l'interpellation, la convocation ne peut pas être effectuée par les forces de l'ordre et ne nécessite pas la présence physique de la personne concernée à moins qu'elle n'ait été précisée dans euh, l'invitation. Quelles sont les aires légales de l'interpellation Les aires légales d'interpellation sont régies par le Code de procédure pénale et selon ce code, l'interpellation perquisition peut avoir lieu à tout moment de la journée ou de la nuit, sans restriction d'horaire. Cependant, un article bien précis du même code prévoit que les perquisitions et les saisies ne peuvent être effectuées que de 6h à 21h, sauf en cas d'urgence absolue. Aussi, la perquisition a eu lieu dans un lieu ouvert au public ou dans un lieu où s'exerce une activité professionnelle. Il est également important de noter que l'interpellation doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux des personnes, notamment leur droit à la vie privée et leur droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant. Et tout manquement à ces droits peut entraîner la nullité de la procédure d'interpellation et des actes subséquents. Comment prouver que la personne a subi un traitement dégradant et la violation de ses droits fondamentaux lors d'une interpellation euh, Pour prouver cela, je pense qu'il y a deux façons. Euh, premièrement, la personne personne euh, interpellée doit signer un procès verbal et elle doit lire correctement ce qui est écrit. Si, si elle n'est pas d'accord, elle peut y émettre une opposition pour préciser les événements qui ont eu lieu ainsi que leur exactitude. Et ensuite, euh, un proche présent lors de l'interpellation peut filmer la scène comme moyen de preuve et pour montrer comment l'interpellation a eu lieu. Alors, Ternan, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien avec Boukari Wali Cheibou Voilà, Mariam, quand on vient de l'entendre, Boukari Cheibou, dans cet entretien, il a relevé des conséquences, notamment des conséquences liées au refus de répondre à une convocation qui constitue à lui-même une infraction qui peut conduire à une interpellation avec force. Il a également évoqué les erreurs légales d'une interpellation et la violation des droits fondamentaux de la personne interpellée qui peuvent être des actes constitutifs de l'annulation de la procédure d'interpellation. Voilà. Ben, merci. merci. <laughs> merci. À bientôt pour notre chronique euh, juridique. Ah oui. <laughs> Voilà, Marianne, poursuivons cette édition avec la bonne ambiance du rap féminin. Restons toujours avec la talentueuse Marie Diallo avec son titre ultra dansant, soirée VIP. Zombie Sahel. Marie Diallo. on the beat. Je fais danser la capitale avec mes flows Tous mes gars sont chauds sur la piste, sur le feu. Soirée vive bivino, on va célébrer. Ne fais pas les morts dans le club, c'est gâté. Ils m'ont dit de pas lâcher, donc je force l'entrée. Je me sens un peu bizarre, comme des larmes fâché J'achète mes swag, dans des pas cher Diallo, my name, je me pompe à la tête. Danse, danse, ce soir c'est VIP. Allez, woumé, woumé, ce soir c'est validé. Danse. Ce soir c'est VIP. Allez, woumé, woumé. Ce soir c'est validé. Allo yo meuf, t'es où là Eh ben tu es à la maison. Mais qu'est-ce que tu fous à la maison On est là, la soirée on t'attend là. Ah ouais, tu as de la Eh écoute le bruit. Tu entends Y'a y a de la chicha et de la vodka meuf. Allez, brouille-toi. C'est jusqu'au petit matin, DJ pas mieux le son. Niamé va bien comme Paris centre. qui m'a validé sans prise de tête. Je me sens well sur la piste de danse. Welcome, welcome dans la partie. Danse, danse, move, move avant de partir. Bon un selfie avec un sourire. Pour un souvenir, c'est ça la belle vie. Danse, danse, ce soir c'est VIP. Allez, woumé, woumé, ce soir c'est validé. Danse, danse, ce soir c'est VIP. Allez, woumé. Oh ce soir c'est validé. Allez danse, danse. Oh, vas-y bouge, danse. Work me. Danse, danse, ce soir c'est VIP. Allez oh mais, ce soir c'est validé. Danse, danse, ce soir c'est VIP. Il est vraiment <laughs> super Il entraîne hein, Mariam. Ah oui. Bibi Kiton Niamé pour Maradi pour parler d'associations féminines. Dans la région de Maradi, elles sont nombreuses les femmes qui sont regroupées en associations. À travers leurs structures, elles vont s'entraider en nature ou en espèces avec des cotisations périodiques. Sadot Ibrahim est allé à la rencontre d'un groupement féminin. Voici son reportage à Depuis Maradi. wajen ganin sun taimaki kansu da kansu ya sa matan ƙauyen garin gizo da ke cikin jihar maradi buɗe wata ƙungiya mai sunan taimakon gari da ta share samar shekara guda tana aiki inda a kowane sati matan ƙungiyar ke taruwa don zuba dala ashirin wanda hakan ne ke ba su damar gudanar da aikin taimakon gari yadda ya kamata. Ko menene dalilin matan garin Gizo na kafa wannan kungiyar? Ga amsar da Usaina Musa shugaban kungiyar ta bamu. Dalilin da ya sami ka kuɗa wannan kungiya saboda muna son garin mu ya bunƙasa, garin mu ya ci gaba. To mu dai aikin da muka fara yi ma gari yanzu muna zubi kuma in wani abu ya samu cikin gari muna taimaka ma gari cikin asusun nan mu yabi ɗan kuɗi mu taimaka in abu ya samu mu bada wannan taimakan mu ne kuma muna share gari kuma wannan kungiya dai ana taimaka ma yan lakwai kuma bai take haka nan in ɗiya ba su je lakwai ba muna iya mu bi gida gida mu je mu kai su wurin lakwai kuma lokaci zuwa lokaci muna zuwa kuma muna gewayawa muna ganin da tahiyar ki tahiya daga bisani nafisa isaka ma'ajin kungiyar ta bayyana mani yadda suke taimakawa matan da ba su da shi. Za ki kasuwa ko wata matsala ta same ki ta kuɗi. Ina iya in ara miki shikka biyar in ta kai matsala ta shikka biyar. In za ki maido mani ga sati kina iya ki maido mani shikka biyar. Ana bani riba ta dala ashirin. Shamsiyya Lawali mamba ce a kungiyar ta waɗi mana dalilin shigarta. ta. Abin da ya bani sha'awa in shige ta don saboda dai na ga da karuwa cikin ta shi yasa na shige ta. Lahi mutum ko takala ta yi ma ban kulawa ina dai ku saurare. Ita ko Hauwa Musa magatakarda ce ta kungiyar taimakon gari jan hankalin mata ta yi. Muna jan hankalin su mutum dai ya kawo tsegumin cewa an sawa na ba a sawa na ba muna jan hankalin su sai da haƙuri da kungiya ta kowa da kowa ce kenan kuma ba karewa ba ko da lokaci ba yancin wariya in wata ta zo ana iya a sanya mutum mutum kai kawo matsala da ƙarshe matan garin gizo kira suka yi ga magabata da su taimaka matan da ke burin taimakon kansu eh, je crois qu'on nous signale Sa'adatu au bout du fil Sa'adatu ina kwana lahiya lo an tashi lahiya lahiya lo ya mara ta kwan alhamdulillah sai godiya To sa'artu muna so mu sani wani wannan matan masu kama ma junan nasu su suna samun kamar wata kungiya hakan ga ko su ma wani taimako suna samu. To gaskiya ga halin yanzu dai iya su da kansu ne suka yi mm. suke wannan kokarin na ganin sun taimaki kansu da kansu saboda suna tunanin cewa in sai har sun jira wani ya zo ya taimaka musu za a ja mm. lokaci. Mm. shi yasa suka kafa ta domin ko da ma kungiyar wasu za su zo su taimaka musu zuwa lokacin kenan yaran su ne za a samu eh an tardo su dai a shirye eh lokacin sun shirya kuma suna da niyya na su taimaki kansu da kansu a ah, to wannan yayi kyau to wa'annan kudaden wanda suke samu ko wace irin sana'a ce suke yi da su kina da masaniya akan shi eh tun da na kai garin da kaina na ziyarci garin lokacin da na je ma har sun sayi wake sun aji suna jiran haka idan ya yi tsari sai su da to sun ce mini lokaci lokaci in mutum kamar mace ba ta da jari haka mm. suna taimaka mata su ba ta biyu bimil ta fara kasuwanci in ta fara kasuwancin abin ya dan kankama inda kadan kadan inda jika jika za ta maido musu in kuma in ta samu gaba ɗaya sai ta maido musu to lokacin in kun babu masu bukatar kuɗin sai su sayi abinci su aishi idan abincin ya dan yi tsada haka sai su ɗauko su saida su mm. samu dai su yadda za su taimakon kansu da kansu ka aje kuɗin haka nan ba a yi komi da kuɗin ba. to kamar yadda muke gani dai irin wannan cikin yan gurfin gurfin sai kaje wasu yan rigingimu <laughs> to a wajen nasu baki dago da irin wannan matsalolin ba dai ko eh kun san da yake uwayenmu na ƙauye suna da haɗin kai gaskiya mm-hmm. tunda sun kwatanta mini cewa irin wannan in ma suka ga kamar rigima za su tashi daga wurin wata mace daga ciki suna iya hiddata gudun matsala don in suka ware wani samu wani hatsaniyar duka gurfi nasu yana iya lalacewa eh. kenan sai su da wadda ba ta yi wadda za ta samu su tashi hankali su da ta gehe su samu wata su sanya. Oh, a to abin ya yi kyau kenan to mun gode da wannan rahoton da kika muna sai mu ce sai kwana biyu. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Rabi, notre chroniqueur sportif, est dans la place. Bonjour Adam. Bonjour Mariam. Bonjour, Bonjour Rabi. Bonjour. Alors Adam, t'as quoi pour nous alors, hier, il s'est joué la 15e journée de la Super League nationale. L'Urana FC d'Arlit a fait un match nul 0 but partout contre l'AS Nigelec. Match nul également pour le Sahel Sporting Club face au Jean Football Club de Maradi, mais cette fois-ci sur le résultat de 1 but partout. Le GST d'Ottawa a gagné la Koukana d'Arlit sur le score de 2 buts à 1. Mais Adam, quel est le classement de cette 15e journée alors Alors Rabi, pour le moment, il n'y a pas de classement, mais pour le compte de la 14e journée, sachez que l'ASGNN est en tête avec 29 points, suivi de l'AS Police qui la talonne avec 27 points et l'AS Douane 3e avec 26 points. En bas de tableau, nous avons la Kokana Football Club d'Arlit 12 points et le Zongorzo Football Club de Maradi 6 points. Mais sur un tout autre plan, en lutte traditionnelle, le groupe scout Sony Alibert de Niamey organise un tournoi inter-établissement. Oui, en effet, c'est à l'occasion de son 26e anniversaire qu'il organise ses rencontres du, du 13 au 15 mars pour la jeunesse de Niamey. L'ouverture est prévue ce soir à 16h à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey. Le thème de cette première édition est de promouvoir nos valeurs traditionnelles à travers la pratique du sport, la lutte traditionnelle qui, on le le sport roi du Niger. Et eh bien, c'est tout pour cette page sport et à demain pour un autre numéro. Merci bien, Adam. Merci, Adam, à bientôt. Merci. Dis, Rabi, on va faire briller aujourd'hui Aujourd'hui, Mariam, nous partons dans l'ADER à la rencontre d'un ancien exodant. Il a abandonné l'émigration pour exercer dans la couture. Ah bon, mais qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis Ah, je te connais toujours curieuse. Justement, nous aurons la réponse dans cet élément signé Habibou Garba. Âgé de 32 ans, robuste, Ibrahim Harouna est un jeune exodant de la ville d'Etawa. Dès le bas âge, la Libye représente son pays des rêves. Ibrahim a commencé ses aventures à l'âge de 25 ans. Cependant, si certains de ses amis ont réussi à faire de la Libye leur Eldorado, rien n'a marché pour Ibrahim Harouna. Il a fait trois fois la Libye, mais rien il raconte son calvaire. Franchement, je suis allé à Libye plusieurs fois, au moins trois fois, mais cela fait très longtemps quand même. Et maintenant, je ne vais plus. Non, c'était vraiment une leçon. Par exemple, il suffit seulement de mettre pied au dehors pour être pris en chasse. Tu peux passer plus de 30 minutes à te cacher à gauche et à droite. C'est seulement Dieu qui sauve là-bas. Donc tu vois pourquoi je ne souhaite pas retourner. Et même au retour, on s'est fait battre comme des voleurs pour nous extorquer de l'argent. C'est pourquoi il lance un appel à l'endroit des jeunes qui aspirent à migrer vers d'autres pays, que l'essentiel n'est pas d'être riche, il faut avoir l'esprit tranquille et pour lui, il n'y a pas mieux que chez soi. Ce que j'ai à dire, un jeune ne doit pas tout attendre du gouvernement ou d'une quelconque autorité. Il doit être patriote et se battre pour s'en sortir. Il y a des jeunes qui essaient mais qui n'y arrivent pas. Ils doivent se patienter. La richesse appartient à Dieu. Aujourd'hui, Ibrahim est tailleur. Il a son atelier au quartier Gebanzogi d'Etawa. C'est dans cette activité qu'il gagne sa vie et assure le bien-être de sa femme Aïcha et ses deux enfants. Quand tu n'as pas les moyens, dès que tu trouves une opportunité, saisis-la. Maintenant, j'ai fait de la couture et c'est avec que je gère mon foyer. J'essaie de m'en sortir. Je ne peux pas dire que je dois mener une vie d'élix. Je ne suis pas riche, mais j'attends d'avoir les moyens nécessaires pour gérer d'autres et être équitable. C'est ça ma situation actuelle. Pour plusieurs observateurs, le cas du jeune Ibrahim doit servir d'école à la jeunesse, surtout de nos jours où les jeunes s'engagent davantage de l'entrepreneuriat. Merci bien, Bibou Garba. Ben, on revient à Niamey avec un dernier tour en musique. C'est OKLM de Zénab La, Rebelle. Rebelle rebelle, rebelle. Yo, yo, yo, Afrique ça dit quoi Négocier comment De deux c'est dans la place, ça ne crains pas. Je resterai debout avec le drapeau, que ça te plaise ou pas. Miyaga, t'es pas On blague pas, on joue pas, te fous ça. On s'en bat le cul de vos avis. Ah Parce que je sais que ça ne manque pas. Ah. Arrête de parler et de toi Ils se font de la pluie, vous allez m'accepter, n'en parlons même pas c'est parti, y a pas de cadeau. Tu cherches la guerre, je suis au paix pour ça. J'ai grandi dans la haine, je vécu dans la déche, t'as connu mon parcours, ça sera plus le même. Je suis posé dans le game, on se croise tôt ou tard. Je suis posé, je suis posé, je suis posé, je suis posé. Wow. Ils m'ont pas vu venir, oh c'est la surprise. Je veux les démolir, je les casse et je les brise OKLL, le 7 on est OKLL OKLL, en Afrique, on est O, O, O, O. des tricheurs. Vos meufs niche moi je fume de la moula. Mais qu'elles sont bêtes, j'ai pas le temps pour le blabla. Blabla, blabla, blabla. Rare, je porte le sting, je porte la culotte. Toujours le temps pour faire des fricottes. Tous ces MCs rap des carottes. Ils se prennent pour qui Ici en Afrique, pas de panique. C'est moi qui domine, je suis avec mes bingo, bingo, bingo. Ah ouais ha. À l'aise avec les vrais potos. On fait la fête, bisson à bisson. Tranquillement, on te met au chaos. Avec Dieu, y'a jamais de proto. Bénissons les enfants du ghetto, ghetto. set on the LL. C'est Zénab la rebelle. Oula <laughs> ben, C'est dommage, parce que Mariam, cette rappeuse, justement, elle rappe plus. Elle chante plus. Elle est plus euh, dans la vie associative maintenant et c'est vraiment dommage parce ah que cette sélection, on sent vraiment l'évolution du rap féminin nigérien. Mais euh, dommage qu'elle soit pas nombreuse. Hein. Mais tu es là, non <laughs> rappes bien quand même. Mariam, pardon. <laughs> on était un peu, un peu. D'accord. Ça va aller. <laughs> voilà. Euh, je crois que c'est le moment de passer au loti, c'est ça Oui, Dire à fais voir un peu tes ongles. Mes ongles sont nickel. Ah, juste nickel. nous allons <laughs> parler de comment prendre soin de ses ongles dans notre rubrique loti. Des ongles sont fragiles et cassantes sont souvent, les, ongles fragiles et cassantes sont souvent la résultante d'une certaine carence en nutriments et vitamines. Ben, je vous propose de suivre cette conversation entre Rafika Taher et Rekia Arimi. Lotzi. Lotzi. Lotzi. Lotzi. Lotzi. Lotzi. Lotzi. fatu fati fofo e masha Allah iga bori ifo ai kan bacam sai wala ni dai dai sai dai nyama nyama fa guna ai wana ikunno ceri matano ni gitte kan ni wani ga sandi iga bori mo tali kulisi iga mu sintina dai mi zangi zangi yan wadin nan kyamsa kan ga keri kan ga banu wal kuwo kan farsi ikunno gondin gaisa farai aha to kiyayi mama mai ai hangan gama masambule mu kaina ga fai ihinka ga danga ga zaitun giyo ga kinga ziri kan bakem sai ga susu bai da alula fallan hani zora ga dika iga sandi iga bori mu to da ai gaba ima hanan binde ni kan bacem sai madugu wazibi kulu maziri ga hinka hani zora kwai ne ni makeki har dungo da annasara kwas kan si ne borosa dan gadan bai karbonat aga gazi daban da banda kalamu bori ni da hiran dikan dai te hayai wo kulkan ni kiyese ai gadu kemsi hanno aha dinna hayidin kulte ni man dibar mayan masala gonu warai do hare ai warai ai man faham ifo no wani koi ne hambagar haifo gona kan gazani ga hamora a safaryan mu kallan da nina kuri nesi a gihin gate fer jangai seno ni kan bakem sai sigabu fero mu kan burgudu hamra shokola bira wala dumi zaira wala calcium jangai kan yan igidu cukaira da waira bor makin ganwa ngwari yan kan gwanda vitamil sandagi hannu sojayan kalinwari zai hami da hamiyan ah hai ai ni na idan mu nan kyoro ai ma ai sambu ai ga gwai damu, ai sabu fatu irkwa da min ba an ta kawai bor kan gaba ko mi tarai fa kaddai daga hamsa mi a kimino fa kyoro karai sai ne o <laughs> à l'équipe femme du studio Kalangu. Mariam L'émission du Niger sur Karangu, c'est aussi de la culture linguistique. Ce matin, découvrons l'expression anglaise I'm from avec notre responsable éditorial Jackie Dalton. Un coucou à toute la team euh, Tamani depuis Bamako. Oui, c'est depuis Bamako qu'elle nous envoie cette culture linguistique. Hello, bonjour. I hope you're well. J'espère que vous allez bien. D'habitude, je vous envoie la rubrique anglaise depuis l'Europe, depuis chez moi, mais actuellement je suis en voyage et pas très loin de chez vous au Niger. Je suis en train de visiter une des sœurs de Studio Kalangu. Je suis à Studio Tamani à Bamako. I'm at Studio Tamani in Bamako. Donc Studio kalango et Studio Tamani sont sœurs car elles sont de la même famille de la Fondation Hirondelle. Et je suis avec le rédacteur en chef de Studio Tamani qui diffuse en cinq langues pour le public malien. Hello Mohamedou. Hello Jackie. Bienvenue Mohamedou. Welcome Mohamedou. Thank you Jackie. Thank you, ça veut dire merci. Thank you. Mohamedou, why are you learning English? Pourquoi tu apprends l'anglais J'apprends l'anglais pour euh, m'améliorer à parler cette langue parce qu'elle est très très importante dans le milieu professionnel aujourd'hui pour pouvoir échanger mais également même dans la carrière, l'évolution de la carrière, l'anglais est très très important. Donc c'est vrai que les langues, ça ouvre beaucoup de, de portes et d'autres opportunités. Alors, je vais te poser une question et on va voir si tu comprends la question. Where are you from? Qu'est-ce que ça veut dire Tu viens d'où D'où viens-tu C'est cela. Exactement. Mohamedou, where are you from I'm from euh, Mali, but also in Senegal because euh, I beef in Senegal. Is it correct? Yes. So you said I'm from Mali. Hmm. Je suis du Mali. Hmm. I'm also from Senegal. Je suis aussi du Sénégal. Hmm. Donc on peut dire I'm from et ensuite le pays. I'm from Niger, I'm from Burkina Faso, I'm from Niamey, I'm from Difa, I'm from Agadez. Mohamedou, maintenant à toi de me poser cette même question. Alors, Jackie, where are you from? I'm from two countries, deux pays. J'ai deux passeports et j'ai vécu dans les deux. Donc, I'm from Switzerland, la Suisse, and I'm from England, l'Angleterre. So Mohamedou is from Senegal and Mali. Mm-hmm. I'm from Switzerland and England. So together we are from four countries. On est de quatre pays les deux ensemble. I'm from. That was today's English phrase. Where are you from? Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Amis euh, auditeurs, vous êtes nombreux à kiffer nos programmes grâce à nos médias partenaires de partout dans le pays et sur notre site internet wwwstudio www.studiokalangu.org. Écoutons quelques-unes de vos réactions que nous avons recueillies ça et là je suis un fonctionnaire de l'État ici, Chirozérine. J'ai l'habitude d'écouter Studio Kalangu surtout les week-ends. J'ai remarqué qu'il y a quand même une émission tous à la fada. Le plus souvent, je tombe juste sur cette émission. J'apprécie vraiment énormément cette émission. Ça parle de la réalité que nous vivons ici au Niger. C'est vraiment une bonne chose parce que rares sont les radios qui ont des émissions de ce type. C'est vraiment à apprécier. Donc mes salutations vont à l'endroit de toute la famille Samake depuis Kolo, Maradi et Niamey. yaya sufu mushe ne a nan garin Chirozerin. studio kalangu shirye-shiryen shi suna kayatar da mu tunda suna ba mu labarin da ya kamata a daidai lokacin da ya kamata abubuwan da muke so studio kalangu ta kara muna so na daya in ta yi emission in ta tabbado wani labari sai su samu wani dan lokaci wanda za su rika maimaita shi saboda wani bi wani a lokacin da za a yi wannan abun yana wani aiki kuma kullum yana shuraren radio nan labaru bai so su fice shi kamata arka yi ana redifize ina gaida wani abu abokina wajen maradi yana ce abdulnasir sita sai babanmu da yake ana ci mishi sule yana damagara magara madan sa'adu rabitanko director jardin da fangaura proje gaskiya studio kalangu shiri ne wanda muke yaba da shi sosai da sosai tunda ko cikin whatsapp dai lokacin na na fara shi dai ana aiko mini shi daga nyame wata abikiyata to sai yanzu gashi vraiment ina appreciate shi kwarai tunda suna ba da information fiable ne da ina ra'ayin su kwarai ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana abbati ina nan garin ke sawa zamani gaskiya studio kalangu gutun shekara uku haka ina shugaban sosai surtu da murtan nan dai wanda suke yi ana yin labaran wajen mali ina yin haka kamar da kurtin kasa haka duka mai shugaban su sai kuma emission guda wannan wanda ake yi wannan ta fara wannan ta yan fara inna cikin shi ana kamar cikin wasa da dariya ana haidu labaru masu muhimmanci a ciki Ah, ça fait plaisir, hein, ce feedback. Ben, si vous aussi vous avez des messages et des dédicaces, laissez-les au numéro 82 89 89 64. Chers auditeurs, on kiffe trop ces moments privilégiés que nous passons en votre compagnie. Mais les Hindadi Karewa toute chose a une fin, vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et Maria Madé. Mais avant de se quitter, recevons Nafisa Sirfo pour les couleurs de la grande édition du soir. Bonjour Nafissa. Bonjour à vous, Maria Mirabi. Bonjour. Bonjour. Eh bien, dans l'édition de 17h, les spécialistes en météorologie expliqueront le temps qu'il fait ces derniers jours à Niamey, un temps caractérisé par la chaleur en journée et la fraîcheur la nuit et souvent même des traces de pluie. Ensuite, euh, nous parlerons du tournoi de lutte africain de la CDAO, le TOLAC, que le Niger abritera du 17 au 19 mars. Il sera question des règles qui seront appliquées à l'occasion de cette douzième édition. Enfin, dans le magazine du journal, nous parlerons du droit de mobilité au regard de la loi 2015 avec un acteur de la société civile. Merci Nafisa. Merci, on se retrouve à 17h. Inch'Allah, on se dit à 17h alors. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont rendu possible la réalisation de cette émission. Excellent après-midi à tous. Bye bye. Et je crois qu'on va se dire au revoir avec la grande ZM. On réécoute Kirari du rap pur jus. nasira kubai nikanga wani zai nikanga chase nikanga kom bado mikro isaka hanyar kirki na farko abu guda ka ɗauki niya, ka san da rap ba dama zakin dan uwa ba dama cin hakkin dan uwa domin matsala da dama ke cikin ƙasa matasa babu aiki laftani babu magani mata karkara suna so ice ba su da hutu babu mai kula da su amma

na bayan ka suma fika ke jira wai mi ku ka mai da rap ko mi rap ta me da ka ta saka manta ha ha beware of my ni kiragu ko me kake ka ambaci Allah saura abun ka bai ya ɓaci je rasulullah Allah baya ya sa musulmi kumya Allah baya ya sa musulmi kazanci in ji malum bali rako yana na ka kazanci in ji malum wata ma wata gori ba ta da kiran mata. Kwami ta tuntuba zai faɗi.